bi du goudou, nit ñu jóg ñu dem résister ci mbedd bi dans leur maison vous comprenez dans leur maison ci mbedd bi partout waaw ñu défar nak ay cocktail yo xamné xolal dañuy naan ba boy xam nga ñun on a dépassé ay ay ay ay ay résister samni xéer ñun on résiste avec avec des cocktails vous comprenez lui, ne je sais pas comment on le dit euh, en wolof donc sortez sortez finissons ce boulot finissons ce boulot ils sont à terre <laughs> ils sont à terre et moi je parle avec des gens ils sont à terre physiquement ils n'arrivent arrivent plus démb dafa nek ci caserne yi ñuy am ño xam ñuy xulo seen biir parce que yo, tam da ngay xol nga jël ni solo ko liñ ma wax ay dàll yo xam sa dal yi day sa tanki day boy day boy ci biir ndax yaangi def euh, yaangi bouger donc tangoru Sénégal bi tàng dal yooyu di boy ma la par respect je montre pas les photos qu'on m'a envoyées des des des des hommes de tenue du ma wax des hommes de tenue je vais dire. Ben, ils n'en pouvaient pas ils n'en pouvaient plus nous lacrymogène ils sont à terre quand les belles journée deux rek à terre donc nous, lan mes frères et sœurs lan on a promis le président Ousmane Sonko depuis Kër Massar mu ko nous Nous commencé nous tant que nous Nous nous est-ce qu'on va on va maintenir nos promesses ñun est-ce que ay gor est-ce que ay ñaari gor moo ñooñu sukk jour c'est pas ci la ci làmmiñ bi mais c'est sur les faits il a besoin de voir les faits il a besoin de dire ok moi je me bats pour ces gens mais ces gens veulent veulent la veulent la peine de se battre pour eux c'est à notre tour nañ gore nañ di dund nañ di dé. S'il vous plaît, les jeunes, les patriotes, partout où vous êtes au Sénégal, au plus profond, même qui bir village, montrez que vous êtes des patriotes. C'est pas Nine qui Partout, partout, à wa à a les dignes fils de Mbake, les dignes patriotes de Je fais appel à vous. À vous. Vous, vous pouvez sauver le Sénégal. Les dignes fils de Les Dakarois, les Kaolakois, les Saint-Louisiens, Hein, Lugo, partout au Sénégal jóg dans les villages départements arrondissements, partout jóg nous finir ce boulot allons résister c'est seulement la résistance qui paye c'est pas en restant dans nos maisons qu'on va obtenir ce qu'on veut non il faut lutter il faut travailler pour avoir des résultats, des bons résultats demain. Le bon résultat, c'est de faire dégager Macky et tout ce qui l'entoure. Nous devons ziarer les Adresse, vous avez dit, dem ziarer. Barkelou. On doit aller Barkelou, c'est une Nous n'est fa, nous sommes C'est pas notre problème. C'est ni Ce c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Parce que nous, nous, nous, à nous, nous, nous, Donc du nous, Donc, yo sama adversaire bo boo ak man doo may dara buma ma jàkkaarloog yow nga xamne deug deug deug deug garmi gar mi yow du mën may dara s'il vous plaît donc loolu rek mo don ki bi live bi dama koy gattal ñu ndax ñu dem ci terrain bi on n'a pas on a plus de temps kep koy live mang lay ñaan liveur yi na live yi gatt suñ ko mënul sax nañ baña live bok parce que on permet ces jeunes ñu dem ci ci ci terrain bi résister allez bonne journée à tout le monde na gàtt